Ce rassemblement, oui, parce que je n'étais pas informé de la tenue de cette activité. Mais Maïmouna, c'est Maïmouna là. Et quand j'ai entendu euh, l'information ce matin, je me suis mis dans la peau de Maïmouna. Parce que récemment, dit « Moudjouham sama biir koñ am et je sais que si j'avais dévoilé ma face peut-être que m'ont attaqué parce que maybe ils vont penser que journaliste RTS là pouvoir bila Andal, àndal wala ñoomin seen mais dama à ni journaliste yi na pas xam ni ñoom seen bopp journaliste yi comme homme politique homme d'affaires les décideurs nañu xam ni journaliste yi amuñu pour faire ken journalistes qu'elle moins information que ce soit une information vraie c'est encore mieux quand elle est fausse on s'en départit je pense qu'aujourd'hui les journalistes c'est le quatrième pouvoir on le dit ils fréquentent le judiciaire le législatif et l'exécutif et je suis heureux de voir que des ministres des responsables syndicaux des hommes politiques sont dans cette manifestation. Ce que je tiens à dire, c'est que Maïmouna, c'est encore une fois notre Maïmouna. On va se battre ensemble pour que ces agresseurs, quel que soit le commanditaire, avant même que je n'arrive ici, juste au rond-point, j'ai reçu un message du ministre de l'Intérieur, je ne sais pas si vous l'avez reçu, disant que tout sera fait pour arrêter les agresseurs de Maïmouna Ndourf. Parce qu'elle était elle est à l'hôpital militaire et le ministre de l'Intérieur, Ikaba, est parti là-bas. On espère qu'elle va sortir en bonne santé. Mais encore une fois, il faut que tout le monde comprenne que les journalistes ne sont ni ou contre quelque pouvoir que ce soit. Et nous aussi, nous devons nous mettre ça dans l'esprit et travailler au quotidien pour que personne ne nous étiquette par rapport à une appartenance politique ou pas. Chez nous, à la RS, tous les journalistes qui ont montré leurs couleurs politiques sont sortis de la rédaction. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais c'est valable pour toutes les rédactions du Sénégal. Quand Daouda parle de journée presse morte ou journée sans presse, oui. Mais aujourd'hui, vous avez des patrons de presse. Si tout le monde aujourd'hui vous décidez de faire une journée sans presse, il y a des patrons de presse qui vont vous dire allez couvrir telle, telle, telle activité gouvernementale, ministérielle ou internationale avec une ONG ou je ne sais quoi on ne connaît pas les dessous. C'est pour ça que les journalistes, à mon sens, devraient comprendre que c'est de véritables sentinelles. Déjà pour la démocratie, pour la paix la stabilité sociale, le développement économique, mais aussi qu'ils doivent savoir qu'ils sont toujours face au risque. De Dakar à je ne sais pas où, à, Téhéran, les journalistes sont menacés. Parce que la vérité, tout le monde ne l'aime pas. que mon ñun journalistes dañu wara a fagaru fexe ba fu dëkk wala fu ñuy fréquenté ñu xam naka lañ fay dëkkee parce que da ngay wax ben affaire maymuna day invité ben ministre gouvernement waa pertinent ñu ne dafa dafa waa dafa and ak euh, je sais pas mais mu dafa and ak diw nga ñëw nekk opposition mu rajaxe la ñu né non daf contre et j'ai vu j'ai entendu des réactions des gens dire ouais c'est-à-dire machin machin il faut que les gens comprennent que les journalistes en tout cas doivent être neutres jusqu'au bout des doigts et qu'au Sénégal il y a encore des choses à se dire entre nous de la presse pour pouvoir faire face aux autres pouvoirs qui sont en face de nous. Et c'est pour ça que je tenais à dire Maïmouna Foumantinek, Khamal Mingi Parce que je l'ai connue depuis des S. Et elle, m'a mis en rapport avec euh, une personne que je vais jamais laisser tomber. Et jusqu'à présent, si je peux faire quelque chose pour que Maïmouna continue à prier avec cette TV, je le ferai. Et je vous demande tous de prier pour elle. Merci. Merci, à tous. Merci, merci beaucoup. waaw yow moom yeewi nañ la Ibrahima merci beaucoup ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax alors euh, Sambou gi dama jox suñu beneen doyen ah su ko defee moom it mu ñëw joxe ñaari kàddu laata ma jàll ci leneen muy Jatu Cissé Jatu ah même bu dee benn une minute sax ñoo la ko ñaan gars yi tàccul leen ma bu baax Jatu Cissé mu ñëw joxe ñaari kàddu alo bu la neexee sax bul jóg ma jox la. Euh, bonjour ou bonsoir tout le monde. Moi, je me définis un peu maintenant comme un vétéran. Mon rôle, c'est d'appeler Lisa quand il y a mobilisation, de lui passer des stratégies de lutte que j'essaie d'adapter au contexte du moment. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'heure est suffisamment grave que je vienne m'asseoir à côté de mes, euh, de mes jeunes frères. Euh, je suis là pour quatre raisons principales. Je suis le je fais partie des mentors de Maïmona et je fais partie des personnes qui ont introduit Maïmona dans le milieu de la